le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.estudiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème Résultats globaux définitifs de la campagne agro-silvo-pastorale 2018 au Niger, analyse et recommandations. Le 25 janvier, le gouvernement a constaté un excédent céréalier de 721 430 tonnes et un excédent fourrager de 3 513 090 tonnes de matière sèche à l'issue de la campagne 2018. Cependant, l'analyse de la situation globale fait ressortir 648 858 personnes personnes comme étant en situation de vulnérabilité alimentaire en décembre 2018. Ce chiffre euh, pourrait atteindre 1 221 943 personnes pendant la période de soudure. Ainsi, au titre de la mobilisation des stocks de sécurité alimentaire destinés à la distribution gratuite et à la vente à prix modéré, la prévision d'environ 165 000 tonnes toutes céréales confondues et 2600 tonnes de sucre. En ce qui concerne le renforcement de la disponibilité en aliments pour bétail, il est prévu la mobilisation de 10 000 tonnes. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse de ces données ce qui a fonctionné et où des difficultés sont apparues, mais aussi espérer obtenir euh, des recommandations pour euh, de meilleurs résultats dans ces deux secteurs vitaux de l'économie nigérienne que sont l'agriculture et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Ide Yakuba, directeur de la production des filières végétales et de la qualité à la direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage. Ide Yakuba, bonsoir. Bonsoir. Jibo Banya, président de la plateforme paysanne. Jibo Banya, bonsoir. Bonsoir. Et El Haj El Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, Kapan. El Haj El Mansour Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. de Yakuba, à la différence euh, de l'année dernière, cette année, la campagne agricole a été excédentaire. Comment l'expliquer L'excédent de la campagne agricole 2018. Bon, moi, je ne parle pas d'excédent pour un pays où c'est 700 et quelques mille tonnes. Je pense que c'est une production en équilibre. Parce qu'il faut le dire, nous sommes sortis de quelques années, deux ans, trois ans de déficit. Cet excédent ne peut pas faire, en tout cas, en sorte que les gens soient à l'abri de l'insécurité alimentaire. 700 000 tonnes, c'est peut-être euh, les besoins alimentaires d'une région ou même d'un département pense qu'il faut qu'on soit un peu plus prudent pour dire qu'on a dégagé. Pour un pays, 700 000 tonnes, vraiment, c'est pas un excédent. Mais ce qui est sûr, euh, c'est le résultat des efforts conjugués, tant par les producteurs que par euh, l'État et les partenaires. L'État amène un tout petit peu de besoins en semences. Cette année, c'est de l'ordre de 7 000 tonnes et de l'engrais, environ 20 000 tonnes officiellement. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'entrées d'engrais qui ne sont pas sous le contrôle des structures de l'État. Et je pense que c'est les efforts des uns et des autres qui ont fait que euh, la campagne a été bonne. Ajouté, il y a une régularité des pluies en tout cas, la pluviométrie a été favorable, malgré quelques pressions parasitaires que nous avons observées et des poches de sécheresse, et surtout l'avènement de la grêle, que on n'a pas constaté au Nigeria longtemps où la grêle peut causer des dégâts. Cette année, ça a causé des dégâts. Peut-être que c'est même ça qui a réduit un peu l'excédent dont vous parlez tantôt. Ce qu'il faut saluer, c'est surtout aussi les efforts des producteurs, parce que sur 5 euh, millions d'hectares, 7000 tonnes, c'est presque rien. C'est eux qui ont fourni les efforts les plus importants pour euh, acquérir des semences, que ça soit tout venant ou améliorer En tout cas, ces producteurs-là, il faut les saluer du fait que la grande partie des semences est acquises à travers leurs propres efforts. quelles sont les localités déclarées déficitaires au Niger Les localités, je prends globalement les régions. Vous avez la région d'Agadez, où c'est un déficit assez prononcé. Vous avez la région de Difa et la région de Niamey. Mais dans les autres régions aussi, il y a des spécificités, il y a des départements qui sont touchés en termes de communes et de départements. Nous avons environ 39 départements qui sont déficitaires et les causes de ces déficits aussi sont variables. Mais ce que nous relevons ici, c'est que dans la bande sud même, nous avons assisté à des phénomènes assez inquiétants où les pluviométries enregistrées sont inférieures à 100 mm. Ça, c'est dans toutes les régions, nous avons constaté Malheureusement, ce n'est pas la télé. Je vais vous montrer un peu euh, la carte. Donc, c'est quelques-unes des causes de ces ah, déficits. Ah oui, parce que, en tout cas, ça fait depuis une trentaine d'années, on n'a pas constaté cet événement. Vous avez la région de Tilabiri, Dosso, Tawa. Nous avons des proches dans la bande sud où les gens ont enregistré moins de 150 mm. Il y a beaucoup de pluies localisées, malgré qu'on dit que telle zone a enregistré ceci, cela, mais nous avons l'apparition d'un certain nombre de poches dans la bande sud-sud du Niger où on a enregistré moins de 200 mm. Donc c'est assez inquiétant. Ide Yakuba, quel conseil pour les populations de ces localités déficitaires D'abord, c'est gérer correctement ce qui a été déjà obtenu. Ensuite, euh, là où les opérations de production de cultures irriguées est possible de le maintenir. Parce que déjà, en tout cas, les partenaires techniques et financiers ont apporté des, euh, des appuis à ces, aux zones où la production irriguée est possible. Il y a aussi un certain nombre de choses qu'il faut euh, saluer. Les gens, même s'ils sont, ils sont déficitaires, se, quand ils mènent des activités qui puissent leur euh, offrir un certain nombre de, euh, de sécurité alimentaire, notamment, ils font peut-être le petit commerce, ils participent aux activités initiées par les projets et programmes. Et il y a aussi l'État qui amène le cash transfert et le cash work plus le food for work. Donc toutes ces opérations sont menées, en tout cas au niveau de plusieurs localités, pour euh, soutenir ces populations. Ce que je peux dire également, les opérations de soutien à ces populations en tout cas, on a fait un plan de soutien qui sera mis en œuvre ou bien qui est en cours d'être mis en œuvre à travers la reconstitution des stocks de sécurité alimentaire avec l'OPVN. Et ce fonds, c'est un fonds qui est octroyé par les partenaires techniques et financiers et aussi qui fait des achats directs des zones à grande production vers les zones euh, qui seront déployées vers les zones déficitaires. Il y a le PAM aussi qui est en train de mener des opérations d'achat direct là pour soutenir certains c'est des cantines scolaires, d'autres c'est des communes spécifiques. Plus les projets et programmes qui ont mis dans leurs activités de soutenir ces producteurs au niveau de l'ensemble du territoire national. Jibobagna, quelles sont les difficultés rencontrées cette année par les agriculteurs et les éleveurs Les difficultés que nous rencontrons sont diverses. D'abord, euh, une campagne, elle se prépare. Il vient de le dire, généralement, il revient aux organisations de producteurs ou aux producteurs eux-mêmes de s'organiser parfois pour accéder aux semences de qualité. Parce que maintenant, avec les aléas climatiques, les semences traditionnellement utilisées par les producteurs, on ne peut plus les utiliser parce que c'est généralement des semences qui ont besoin de trois mois, voire même quatre mois de pluie, alors que maintenant, c'est difficilement qu'on arrive à avoir deux mois ou deux mois et quelques de pluie. Donc la question d'accès aux semences, c'est une question euh, qui nous fatigue beaucoup. Les questions foncières, c'est vrai que heureusement d'ailleurs que le Niger s'est lancé dans l'organisation ou l'élaboration d'une politique foncière, il y a eu les États généraux. Donc la question foncière, la sécurisation foncière, c'est une préoccupation. Euh, nous avons aussi rencontré pour le secteur de l'élevage, parce que le secteur de l'élevage a besoin de soutien à des moments précis, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, les gens ont besoin de soutien, c'est-à-dire avoir euh, des intrants. Mais malheureusement, avec les procédures de nos États, Parfois, ce sont des intrants qui arrivent vers juin, juillet, alors que déjà le mal est déjà consommé. Donc nous avons des difficultés d'accès aux intrants. Nous avons des difficultés de sécurité alimentaire parce que, comme il le dit, quand on enregistre une mauvaise campagne pour un producteur, parce que quand la campagne n'est pas bonne, c'est en ce moment que le coût des céréales augmente. Donc le sac de mille que tu as en avril ou en mai, c'est autour de 20-30 000, alors que ce même sac-là, tu l'enregistres pendant la récolte 10 000 voire 15 000. Donc il te faut deux fois, trois fois le même prix du sac que tu vas avoir en saison sèche, en saison de soudure pour pouvoir euh, mener tes activités agricoles. Il faut augmenter. Donc du coup, même si tu as une bonne production, cette production ne te permet pas de combler le vide que tu as enregistré pendant que la campagne se déroulait. Alors, on a aussi d'autres agriculteurs où ils ont du mal à passer tout le temps dans leur champ. Ils sont obligés d'aller travailler quelques jours dans le champ de quelqu'un pour qu'ils trouvent de quoi donner à la famille avant d'aller travailler. Donc tout ça, c'est des difficultés. Sans oublier maintenant les questions d'encadrement, les questions de vulgarisation, d'accompagnement et puis les, attaques dont il a fait montre. Alors l'autre difficulté que nous rencontrons, c'est qu'aujourd'hui, avec l'insécurité, vous avez des producteurs qui ne peuvent plus aller dans leur champ. Vous prenez la bande nord, même la bande sud aujourd'hui... même euh, vers la région de Difa, à l'est. En tout cas, la plupart des régions aujourd'hui, on n'a pas une région où on peut dire aujourd'hui que le producteur est sécurisé, il peut aller au champ tranquillement travailler et qu'au retour, il va revenir. Ou bien, quand on dit un éleveur qu'il a son troupeau et que tranquillement il va conduire son troupeau, maintenant allez-y vers le nord de Tilaberi, un éleveur, c'est des difficultés. Il y a des zones, non seulement des zones appelées zones tampons, ils ne savent pas ce que c'est les zones tampons, ils arrivent zones rouges. Oui, des zones rouges, on les attrape, on les amène. Bon, le troupeau disparaît ou bien c'est des bandits qui viennent prendre. Donc tout ça, c'est des difficultés que nous rencontrons qui font que les producteurs rencontrent énormément de, de difficultés. J'ai parlé encore de deux couches. Hein. J'ai parlé des agriculteurs, j'ai parlé des éleveurs. Mais quand tu prends les pêcheurs, c'est complètement oublié. Dans la plupart des plans aujourd'hui, les pêcheurs sont oubliés. Qu'est-ce qui explique euh, cet état de fait, Monsieur le Président Qu'est-ce qui explique euh, euh, le fait que les pêcheurs soient oubliés du fois Tu sais, c'était une activité qui était rentable. Les pêcheurs n'avaient véritablement pas de difficultés parce que au niveau du fleuve, il y avait beaucoup de poissons. Donc, c'est des gens qui arrivaient à se prendre en charge totalement. Alors qu'aujourd'hui, le fleuve euh, est d'abord ensablé. Deuxièmement, au niveau des nids de ces poissons-là, qu'est-ce qu'on a réussi C'est des plastiques. Bon, avec les plastiques et avec aussi la jacinthe. Donc tous ces nids-là ont disparu. Donc du coup, nous n'avons plus de poissons. Alors, donc, c'est des gens aussi qui sont laissés pour compte. Il y a peu de soutien pour cette couche-là. Alors, donc, ce qui vient gonfler alors l'insécurité alimentaire de la population. Alors l'autre élément, c'est les inondations Curieusement, on attend la pluie, mais malheureusement, au lieu que la pluie soit répartie dans le temps et dans l'espace, vous allez enregistrer même ce jour 200 mm et qui vient sur tout son passage. Vous voulez dire que les pluies ne sont pas équitablement réparties Oui, tout à euh, fait. C'est mal réparti dans l'espace et dans le temps. C'est ce que je dis. Donc, du coup, dans des zones qui ont enregistré ces 200 mm-là, alors là où il y a les bas-fonds, tout est inondé. Donc ça fait partir non seulement les champs, mais ça fait partir aussi le pâturage. Mais également, ça cause même au niveau des villages. Donc tous les villages qui sont dans des creux, qu'est-ce qu'on enregistre Il y a des maisons qui tombent, il y a même parfois des morts d'hommes. Alors, donc tout ça vient gonfler encore l'insécurité alimentaire. Donc, au lieu qu'on ait une bonne pluie et que cette pluie-là puisse nous servir parfois, c'est elle-même qui détruit le minimum que nous avons. Donc, au niveau des aménagements hydroalcooliques et tout dernièrement, d'ailleurs, après même la pluie, vous avez... La montée des eaux du fleuve. Voilà, vous avez vu, il y a des villages complètement inondés. Donc, même là aussi, ce qu'on avait comme espoir au niveau de l'irrigation, là aussi, ça disparaît. Donc, nous avons les effets liés au changement climatique nous avons le fait que la pauvreté fait qu'on a des difficultés à accéder à des semences de qualité, à des services d'encadrement, à des services de financement. C'est maintenant que le dispositif de l'APCA est en train de se mettre en route. C'est maintenant que le dispositif du FISAN est en train de se mettre en route. Donc tout ça, c'est des difficultés que les producteurs rencontrent. L'autre élément sur lequel, là aussi, il faut avoir euh, un regard là-dessus, c'est que chaque fois, je crois qu'il est même la relevé, chaque fois qu'il y a une mauvaise campagne, pour les producteurs, il faut plusieurs années pour se rattraper. Mais je, donne aussi l'exemple de l'élevage, et certainement, lui, il va, me le compléter. Au niveau de l'élevage, une année de perte, il faut dix ans pour se rattraper. Alors donc, du coup, croire que parce que cette année, on a un excédent, croire que le problème est réglé, non, le problème n'est pas réglé c'est maintenant qu'avec la conscientisation, c'est ce que je vais ajouter à ce que Idi a dit, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les gens commencent à prendre conscience que la question de sécurité alimentaire est une question centrale. On ne peut pas se fier seulement au marché, croire que c'est le marché qui va nous nourrir. Ce n'est pas, pas possible. Idé Yacouba, sur le plan pastoral, quelles sont les zones déficitaires Sur le, plan pastoral, c'est les mêmes zones hein, où on a enregistré ces déficits-là. Notamment, je disais à Difa, Agadez et une partie de la zone, de la région de Zander et Tawa. Là, effectivement, il y a des zones euh, où le pâturage est insuffisant. Mais ce n'est pas ça le, grand problème du, du cheptel nigérien, c'est le maillage des points d'eau. Où, là où nous produisons beaucoup de biomasse, les animaux ne peuvent pas rester longtemps en saison sèche. Donc, ils sont obligés de descendre parce qu'il n'y a pas de point d'eau. Donc là aussi, c'est un problème qu'il faut résoudre. Je pense que l'hydraulique pastorale, euh, il y a un programme qui, qui est en train de les appuyer. Ensuite, euh, au niveau de ce secteur, nous avons constaté que malgré la gratuité de la vaccination, il n'y a pas d'engouement véritable pour que les éleveurs amènent leurs troupeaux à la vaccination, alors que la santé animale est une priorité une priorité pour nos consommateurs internes et externes. Parce que si un animal est malade, c'est toute la nation qui est malade. Idi Kouba, quelles sont les dispositions prises par euh, votre ministère pour soulager les pasteurs et leurs cheptels C'est le même programme de soutien qu'on a élaboré, notamment avec en prévision de la question des aliments bétail et la mise en œuvre du programme de vaccination. Euh, je pense que au niveau de l'ensemble, nous avons un programme, le PRAPS, qui est en train de se focaliser sur ce secteur. Plus maintenant le dispositif privé qui est là, qui est utilisé pour soutenir ce secteur en matière de santé animale. Al-Mansour Mohamed, euh, quelles sont les difficultés rencontrées cette année par euh, les pasteurs Par rapport en tout cas à cette campagne qui officiellement, elle est excédentaire. Comme il l'a dit, je vous rappelle qu'il y a des régions, à quand vous, vous décortiquez par région, vous allez constater qu'il y a des régions qui ont un déficit. Quand vous prenez la région de Difa, elle est déficitaire de, de l'ordre de 558 000 tonnes, 558 919 tonnes de matière sèche. Quand vous prenez les régions de Tlaberi, également 406 000 tonnes, 967 n'est-ce pas a même également, qui est généralement tout à l'heure, chaque fois déficitaire, 179 000 tonnes. De mon point de vue, cet excédent-là que nous avons ne doit pas cacher la question de l'accès et de l'accessibilité. Au regard de la, de la situation que nous vivons, non seulement au Sahel, en lien avec ces questions sécuritaires, n'est-ce pas Je pense que on peut avoir un disponible fourragé quelque part, mais qui n'est pas accessible pour les, les éleveurs pasteurs. C'est la même chose pour les agriculteurs. Donc je pense que dans l'analyse, n'est-ce pas, on doit tenir compte de cela pour quand même mener des actions en faveur des des éleveurs pasteurs et des autres, des autres couches sociales parce que on ne doit pas dire seulement qu'il y a fourrage, il y a disponibilité, il y a un, un excédent et on s'arrête là. Il faut voir certaines aspects exogènes qui empêcheraient quand même euh, ces communautés d'accéder à ces ressources naturelles-là. Votre question, c'est par rapport aux, difficultés. En lien, les, les difficultés aujourd'hui, il l'a dit, il y a la question du maillage des ponts Ça a été relevé, on était récemment à Dosso, dans le cadre de dispositions de gestion des crises pour faire les évaluations. Cela a été relevé. Et quand vous prenez les, documents du ministère en charge de l'élevage, cette question a été relevée. L'autre question, c'est la question sécuritaire. Vous savez, il y a des zones aujourd'hui qui sont inaccessibles. Si aujourd'hui on vous, on vous fait la situation, c'est que c'est pas chaque jour dans les régions nord de l'Ibérie, ouest Tawa, en lien avec la frontière du Mali, et ce qui se passe récemment avec la nouvelle menace qui est là dans le vous allez constater qu'il y a des zones inaccessibles ou même si vous partez, vous risquez soit de perdre votre vie ou de perdre votre troupeau. Régulièrement, des animaux qui nous viennent, même les commerçants qui achètent les animaux dans les zones des Meneka, etc., dans la zone de la frontière, quand ils les ramènent au Niger, ils sont interceptés et on les ramène pour les revendre quelque part. Donc cette question, je pense que le défi aujourd'hui, c'est comment, euh, en tout cas, renforcer la sécurité. Malgré les efforts qui sont en train d'être faits, nous le savons effectivement, comment renforcer la sécurité pour que les éleveurs pasteurs euh, restent, essaient de profiter quand même de ce fourrage-là, là où il existe n'est-ce pas L'autre aspect, c'est la question de la viabilisation, je l'ai toujours dit, la viabilisation des frontières, la politique des frontières. non, ça veut dire que vous avez des problèmes en ce qui concerne la transhumance transfrontalière Non seulement la transhumance transfrontalière, mais les déplacements à l'interne. Aujourd'hui, quand vous prenez ce qui se passe sur le nord de la ville, etc., où les, les, les éleveurs régulièrement sont, sont interceptés, leurs animaux pillés, c'est une préoccupation. Et en lien aussi avec toutes ces menaces-là qui nous entourent, soit la question de Bokaram au Nigeria ou cette question de, des djihadistes, entre guillemets, d'une ouest Burkina et est Burkina, et ce qui se passe au Mali, c'est que nous sommes entourés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les éleveurs pasteurs, partout où ils vont, ils ne sont pas épargnés de certains risques-là. Maintenant, je dis, le, plus important, c'est comment faire pour que euh, cette question des frontières soit revue autrement. Comment viabiliser les frontières Comment faire en sorte qu'il y ait toute une vie autour des frontières ils savaient qu'à un moment donné, il y a, je ne sais pas si les PRAPS ou la haute autorité, ils voulaient quand même avoir des forages pastoraux dans, ces, dans cette bande-là pour les éleveurs ce C'est de mon point de vue une très bonne chose, mais il faut, il faut tout un dispositif pour que nous puissions profiter de cet excédent forager-là, n'est-ce pas Et comme il l'a dit, c'est pas parce que la campagne est bonne cette année qu'on va régler tous nos problèmes antérieurs. C'est un processus. Nous souhaitons que cette campagne-là, que les quatre années, les trois années à venir, qu'elle soit une campagne excellentaire. Et vous allez voir cela vous allez voir un changement quand même sur les conditions de vie des éleveurs pasteurs. Les conditions de vie des éleveurs pasteurs, euh, allemands, mansour Mohamed, à présent, quelle est la situation sanitaire du cheptel Voilà un autre aspect. que nous, vous savez, nous sommes dans une campagne de vaccination un peu partout. Là, euh, quand même, les, vétérinaires privés sont en campagne de vaccination un peu partout. Il y a le, CSR également qui leur a emboîté les pas dans les deux communes de, de et dans le département de Tassara et de Tilia. Le CSR a emboîté les pas à ces questions de santé animale-là. Ils le font, mais j'ai dit, ils le font parfois dans des, dans des zones où, quand même, il y a cette question d'accès, d'accessibilité. Il y a une question de Vous vous rappelez récemment, euh, où on a, récemment, on avait intercepté le véhicule d'un SVPP, euh, vétérinaire privé, avec ces deux agents par des bandits à moto qui finalement ils ont détruit les véhicules. Heureusement, les deux agents ont pu fuir, etc. C'est récemment dans la zone de Gorwal Donc ça, c'est des actions qui peuvent être un frein pour accéder au chapitre dans par endroit. Al-Mansour Mohamed, quel conseil donner aux pasteurs et éleveurs pour éviter le gaspillage du fourrage Le conseil que nous donnons aux éleveurs pasteurs, non, ce n'est pas seulement aux éleveurs pasteurs, nous l'avons relevé, même à Ingal, c'est qu'il y ait une prise de conscience par rapport à la lutte contre le feu de brousse. Parce que le feu de brousse, il est parfois du fait de la négligence des éleveurs eux-mêmes qui campent et qui laissent le feu sans l'éteindre. C'est aussi le fait de négligence des transporteurs qui fument leur cigarette, ils la jettent en pleine arras campagne et ça prend feu. Donc c'est une sensibilisation qui doit aller dans tous les sens. Et c'est là où nous attendons les maires dans le cadre des transferts de compétences. Vous savez, les maires aujourd'hui, ils ont cette responsabilité de la, gestion de l'environnement, de la santé, etc., dans un certain nombre de secteurs. Et c'est là où nous attendons les maires pour qu'ils nous accompagnent ou, accompagnent leurs administrés pour lesquels ils sont là, dans le cadre de la sensibilisation et de lutter contre ces, ces feux de brousse à travers des actions multiformes, la sensibilisation, les bandes par feu, etc. etc. Al-Mansour Mohamed, comment faire pour une meilleure prise en charge des visions sanitaires et nutritionnelles du cheptel Je pense pour ça, il faut faire une très bonne évaluation, s'y prendre à temps. Parce que généralement, nos actions viennent en retard, soit en retard, ou quand vraiment c'est des questions extrêmes. Nous voulons qu'on soit quand même un pays qui prévoit et qui met en avant la prévention avant la gestion ou la prise en charge. Voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à cette question. que représente la résiculture dans le secteur de l'agriculture et la recherche de l'autosuffisance alimentaire au Niger La riziculture, c'est une activité sur laquelle nous pouvons dire si tous les acteurs se mettent ensemble. Je pense que ça serait un des leviers sur lesquels le Niger peut s'appuyer pour sécuriser davantage les populations comme je l'ai dit un jour dans ce studio, la seule région où on n'a pas testé le riz, c'est Agadez. Donc, le riz, il y a deux usages sur le plan de l'alimentation humaine et sur le plan de l'alimentation du cheptel. Vous voyez, cette année, malgré l'insécurité qui sévit à, à Difa, nous avons enregistré de très grandes quantités de riz produits sur le bassin de Difa. Euh, je vous informe qu'il y a un privé qui a installé aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas amené mon hasard j'allais vous montrer. Une usine de transformation du riz. Produit localement Produit localement, transformé localement et vendu localement. C'est un privé qui a environ 30 hectares et qui chaque campagne, parce que c'est une seule campagne, qui arrive à produire 2500 à 3000 sacs de 70 euh, à 72 kilos. C'est un privé qui a lancé son opération il n'y a pas longtemps, peut-être il y a deux semaines. Et ce privé-là, je pense que ça, il serait le modèle pour les zones de grande production. est-ce que ces genres d'initiatives sont possibles le long du fleuve Niger C'est possible si il y a des opérateurs qui veulent prendre euh, cela en charge. Parce que généralement, nos populations demandent un appui alors qu'il y a des privés qui peuvent le faire. Quand vous prenez la zone de Gaïa, il y a des producteurs qui ont 5 000, 6 000 sacs, mais qui, préfèrent les vendre à Kamba. Au Nigeria. Au Nigeria. Alors qu'on a la possibilité de produire, de transformer au Niger et de le faire consommer. Le monsieur de Difa dont je parle, il a sa marque Arisimari, riz du manga il a son logo, il y a tout, tout. Vraiment, c'est quelqu'un, c'est comme une un, grand industriel qui s'est installé. Et c'est du riz de bonne qualité De très bonne qualité, parce que moi, il m'a envoyé par WhatsApp euh, les sacs de 10 kilos, parce qu'il fait le conditionnement à 10, 25 et 50 kilos. Le sac de 10 kilos à 4500, le sac de 25 à 11 000 et le sac de 50 à 22 000. Et ça se prend comme des petits pains vraiment dans la région de Difa. Est-ce que le riz du Niger est bien commercialisé Est-ce qu'ils n'ont pas de problème d'écoulement Non, il n'y a pas de problème d'écoulement, il y a un problème de transformation et de mise en place d'un dispositif de commercialisation. C'est ça le problème du riz du Niger. Le premier problème, c'est la transformation. Les capacités de transformation d'une usine ne permettent pas de résorber l'ensemble de la production nationale. Ensuite, ces unités de transformation n'ont pas une capacité financière pour acquérir le paddy. Parce que vous prenez le riz du Niger, c'est 35 000 tonnes. Quand ils ont, une bonne performance, ils atteignent 12 000 tonnes. Les autres euh, unités sont presque en arrêt parce qu'ils n'ont pas de capacité d'acquérir le paddy. Cela revient à dire qu'il y a aussi un problème surtout d'accès au crédit. Parce que le taux qu'on pratique au niveau de l'agriculture nigérienne, c'est des taux qui tuent l'agriculture les banques pratiquent des taux qui ne peuvent pas permettre le développement de l'agriculture au Niger. Un taux qui va au-delà de 6% ne peut pas permettre aux producteurs, que ce soit agriculteurs, éleveurs, de pouvoir dégager des marges qui peuvent vivre. On va faire vivre les banques, mais pas les producteurs. Jibobanya, comment faire pour euh, compenser le déficit alimentaire au Niger Je voudrais d'abord compléter euh, Allez-y, rapidement. Oui, c'est-à-dire par rapport euh, au fourrage, je voudrais que les gens comprennent parfois quand on parle qu'il y a biomasse, c'est que parfois aujourd'hui, on a du fourrage qui n'est pas appétissant. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui le sida cordifolia, tu vois ça un peu partout. Mais malheureusement, les analyses qu'ils ont vont montrer toute la quantité de la biomasse. Mais si vous regardez la plupart des zones pastorales, en tout cas dans la zone sud, c'est généralement des plateaux. Et sur les plateaux, tout est complètement dénudé. Il n'y a pratiquement rien. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que quand on dit qu'il y a biomasse, que tout est pâturage. Il n'y a pas que du pâturage. Je veux quand même que les gens comprennent ça. Pour compenser le déficit, d'abord, le premier travail, c'est que c'est la conscience des gens qu'il faut travailler. Il faut que les gens soient conscients que nous ne pouvons pas continuer à croire que notre alimentation doit dépendre de quelqu'un. Les gens ont l'habitude de dire quand ton ventre dépend de quelqu'un, tu deviens son prisonnier. Nous devrions nous-mêmes dire que nous avons la possibilité nous-mêmes de produire suffisamment pour notre population. Ça, c'est un premier élément. Et si on veut augmenter la production, nous devrions travailler en chaîne. C'est-à-dire que moi, si je ne peux pas, il me faut de la semence. Donc il faut qu'on mette des gens aussi sur cette question de semence. La recherche doit faire un travail, mais la vulgarisation aussi doit faire un autre travail pour qu'on puisse accéder à ces semences-là. Maintenant, les finances aussi doivent accompagner parce que les producteurs ont besoin de l'argent pour accéder à ces semences parce que ces semences-là aussi doivent coûter cher si elles sont sélectionnées. Donc le coût de production et le coût de crédit aussi, ça doit aller ensemble. Une fois que ça c'est fait, on doit pousser les gens, les encourager avec des volontés politiques. Euh, je, je, retourne un peu en arrière. En début de campagne, qu'est-ce que Kounke fait Kounke sort, il fait tout le Niger. Lui-même, il voit le démarrage de la campagne. Donc, je demande au président de la République, la campagne qui va venir, de la 2019, début de campagne qu'il sorte lui-même. Il n'a qu'à faire au moins les régions du Niger pour dire qu'il est venu lui-même s'enquérir de la situation du démarrage de la campagne. Ça, ça va motiver davantage les gens. Deuxième élément, une fois que la production est là, avant même la production, il y a cette question de maîtrise d'eau. Nous savons très bien que le climat n'est pas favorable maintenant. Mais avec l'irrigation, Aujourd'hui, avec l'irrigation, regardez, aujourd'hui, vous, partez à la place Toumo. C'est des pommes de terre qui sont là. Il ne pleut pas là-bas. Mais pourtant, quand tu regardes. parlez euh, de, la pomme de terre qui est produite à Agadez. Quand tu regardes la, la plupart de notre région, tu prends n'importe quelle euh, région aujourd'hui, les gens sont capables de produire suffisamment de la pomme de terre. Alors, aujourd'hui, avec euh, les diabètes, avec tout ce que nous avons, la pomme de terre est quand même un aliment important. Vous prenez aujourd'hui le sorgho. Nous avons une organisation, la Fédération des coopératives maraîchères, qui a un appui qu'ils a négocié eux-mêmes. Je ne dis pas qu'un appui venant de qu'ils ont négocié à travers des Britanniques. Ils produisent aujourd'hui du sorgho dans la zone de Tawa. Alors, la dernière fois, ils m'ont dit qu'ils ont fait venir 15 000 tonnes. 15 000 tonnes, c'est quand même beaucoup. Et ça, c'est en irrigué, hein, en irrigué, je dis bien. Si avec un peu de moyens, qu'est-ce qu'ils ont eu comme moyens C'est 350 millions. Avec 350 millions, ils peuvent aller jusqu'à 150 000 tonnes. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si on doublait ces soutiens-là, nous allons être autosuffisants en sorgho. Et l'INRA aujourd'hui a prouvé qu'il est possible de produire du mil aussi en irrigué. Fort heureusement d'ailleurs qu'il va avoir un festival par rapport au mil. Et je pense que pendant le festival, l'INRAN en tout cas sera en mesure de montrer aux gens qu'il est possible de faire du mil en irrigué et l'INRAN aussi peut nous montrer quelles sont les zones favorables à ce qu'on produise du mil. Il n'y a pas que ça. On peut produire aujourd'hui du niébé. Beaucoup de cultures, on peut les produire en irriguer. Pourquoi Si on a des difficultés au niveau de l'hivernage, est-ce qu'on ne va pas orienter toutes nos forces, nos énergies vers la mobilisation des eaux, vers la mobilisation des acteurs, mais aussi que ça fonctionne en chaîne de valeur C'est-à-dire. Je, je dire, à ce niveau, est-ce que l'initiative euh, Troisième, les Nigériens nourrissent euh, les Nigériens peut-elle être la solution Mais bien sûr. Je dis aujourd'hui, quand tu regardes le Niger, en termes de ressources en terre, en termes de ressources en eau, en termes euh, d'expertise que nous avons, qu'est-ce qui va nous empêcher de produire suffisamment pour que chaque Nigérien puisse accéder à la nourriture De la même manière qu'on est en train de faire de l'irrigation pour les personnes, on peut faire aussi de l'irrigation pour l'élevage. Pourquoi aujourd'hui ne pas prendre cette grande zone d'Agadez pour qu'on fasse du fourrage pour le Niger. C'est possible et ça se fait partout. Quand vous prenez par exemple le long du fleuve, si on fait des aménagements hydro-agricoles pour produire du riz, il l'a dit, on peut utiliser le riz pour nourrir les gens, mais on peut utiliser aussi la paille aussi pour nourrir les gens. Mais on peut aussi faire des espaces pour faire du fourrage aussi, des bourgoutières, pourquoi pas. Donc, c'est des politiques qu'on peut négocier et s'il y a une volonté politique, donc on peut produire non seulement pour nourrir notre population, on peut produire aussi pour nourrir euh, nos animaux, mais il faut qu'il y ait des volontés politiques. Là, vous prenez par exemple le cas du riz, c'est clair que tout le monde sait qu'aujourd'hui le riz est devenu l'aliment principal dans le temps. Pour consommer le riz, c'était pendant les fêtes. Mais aujourd'hui, le jour, le matin, le soir, tout le temps, c'est le riz. Parce que d'abord, pour, pour préparer ça, c'est facile. L'accès est facile. Donc, du coup, on devrait être à mesure, compte tenu du potentiel que nous avons, en encourageant les gens, je pense qu'il est possible de produire. Mais j'attire l'attention, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on pousse des privés à venir occuper les espaces des producteurs parce que tout simplement on veut les encourager à produire suffisamment pour nourrir. Alors qu'en mettant des petits soutiens pour les petits producteurs réunis, ils peuvent aussi produire suffisamment autant que le privé. Parce que le privé, lui, il voit l'intérêt. Alors que les petits producteurs, eux, en dehors de produire pour la consommation, il y a le social, parce qu'il y a les autres membres de la famille aussi qui en profitent. Alors que de l'autre côté, on sait comment ça fonctionne. Donc, faisons attention, poussons le privé à aller dans le secteur, mais faisons attention aussi pour qu'on ne rende pas les petits producteurs aussi comme des manœuvres. Al-Mansour Mohamed, quels sont vos conseils, recommandations pour l'autosuffisance alimentaire et le renforcement de la disponibilité en aliments pour bétail au Niger Je pense que l'ont dit, hein, de mon point de vue, le Niger a des potentialités en cheptel, en terre, en eau souterraine, en ressources humaines et même en politique. Nous avons des politiques quand même, l'I3N quand même c'est une politique, comme vous l'avez dit, qui nous donne une certaine, un certain espoir je pense qu'il faut développer les chaînes de valeur, les filières, que ce soit dans le domaine de l'élevage ou dans le domaine de l'agriculture, faire en sorte que du début jusqu'à la fin de la chaîne, que ce soit ces petits producteurs, que ce soit les Nigériens qui sont positionnés. Quand vous prenez dans le cadre de, du chapitre, la viande, l'animal lui-même, quand vous analysez tout son processus, on l'amène au marché, on le vend, on l'abat, etc., on l'exporte, etc. C'est toute une chaîne, c'est tout des gens qui en profitent. Malheureusement, si vous êtes une petite analyse, c'est que nous, nous, on ne profite même pas de nos animaux. On ne profite moins, ceux qui profitent sont ailleurs, n'est-ce pas Je pense qu'il faut développer les chaînes de valeur avec les producteurs. Je suis d'accord avec, euh, avec Djibo quand il dit que faire attention à ces privés qui viennent pour s'enrichir. Je préfère qu'on fasse avec ces, produits, ces petits producteurs-là. Qu'on fasse, par exemple, quand vous prenez la question aujourd'hui de l'irrigation, si on développe des structures comme l'ONA et bien d'autres, où on rend accessible les rizières, etc. aux, aux, citoyens. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des paysans sans terre dans certaines régions. Faire en sorte que chaque citoyen ait l'accès à, la, terre, les paysans, la, la paysannerie, pour en tout cas profiter, n'est-ce pas Mais si aujourd'hui on pense que je suis pas de cet avis que les producteurs, les, les, les, grandes firmes privées peuvent venir en tout cas développer, nous développer. Non, non. Je pense qu'il faut faire avec les producteurs. Il faut renverser la tendance, faire en sorte que les pauvres qui à la base là, qu'on essaie de le relever pour qu'il ait un certain niveau de vie parce qu'il a aussi des besoins. Il a des enfants scolarisés, il a ceci et cela. Et de Yakouba, quels sont vos conseils, recommandations pour l'autosuffisance alimentaire et le renforcement de la disponibilité en aliments pour bétail Je reviens par rapport, un peu avant de répondre à votre question, par rapport aux préoccupations soulevées par nos deux collègues. Je pense que le, cas de DIFA que j'ai cité, ce n'est pas un opérateur privé d'ailleurs. C'est un producteur nigérien, c'est un nigérien qui a acheté Marie et qui a, dispose de ses propres terres. Il n'a pas dépossédé des gens pour euh, faire sa production. Mais Dieu l'a aidé, il produit suffisamment. Et il s'était dit, pourquoi exporter le paddy Je pouvais transformer ça pour que je puisse créer de l'emploi pour que je puisse avoir des sous-produits pour l'alimentation du bétail et avoir des produits du riz décortiqués pour nourrir la région de Difa. Donc euh, c'est ça en fait euh, l'initiative qu'il a eu à faire et je pense qu'il faut le saluer. Les autres acteurs que moi j'ai dit, il faut que les gens s'investissent là-dedans. J'ai toujours dit, au lieu d'aller acheter 50 bus pour faire le transport, le Niger dispose des Nigériens qui ont suffisamment d'argent qui peuvent investir dans l'agriculture. L'agriculture au sens large. Aujourd'hui, je suis convaincu que si nous demandons, enfin, il nous est demandé d'exporter 200 000 tonnes et 200 000 têtes de bovins au, en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, ça serait difficilement modifiable parce que nous ne pouvons pas organiser, comme on l'a dit, nos producteurs selon les différentes chaînes de valeur. On devrait être capable aujourd'hui de pouvoir organiser nos producteurs pour que si on lance une commande, nous pouvons répondre efficacement. Le cas du, riz, certains pays ont fait en sorte qu'on n'importe que la différence parce que eux, ils veulent promouvoir le riz local. Nous, ici, en tout cas, nous laissons libre cours aux importateurs d'amener du riz. Dans certains pays, il est il n'est pas possible et concevable de laisser la production nationale au profit de la production asiatique. Ils ont fait en sorte que la production nationale soit évaluée, transformée, et maintenant c'est la différence pour les besoins nationaux qui est importée, plus un, stock de sécurité. Donc euh, vraiment, je pense que c'est ça qu'il faut voir. Même ah, dans les produits animaux, c'est la même chose. La voilà, on a suffisamment de possibilités de produire de la volaille. Mais on laisse les gens amener la volaille. Peut-être c'est même de la volaille recyclée. Les gens qui sont en, phase terminale, on amène dans du formol et ça attaque la santé des, populations. Je pense que c'est cette politique qu'il faut mettre en place avec effectivement tout le programme bien conçu de l'initiative 3 Nous pouvons combattre et arriver à nourrir suffisamment et efficacement les Nigériens. Mais tant qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, on ne peut pas arrêter parce que le riz asiatique, les gens ils sont en train de faire du dumping. Ils cassent les prix parce que leur État les subventionne. Mais nous, au Niger, on importe et on fait travailler les, les Asiatiques, ce qui n'est pas, en tout cas, normal de mon point de vue rapidement, Bagna, vous conseille pour l'autosuffisance alimentaire et le renforcement de la disponibilité en aliments pour bétail au Niger De mon point de vue, si on veut aller vers l'autosuffisance alimentaire, c'est concrétiser cette volonté politique que les Nigériens doivent nourrir les Nigériens alors si on veut que les Nigériens nourrissent les Nigériens, c'est d'abord euh, cette volonté politique qui a été manifestée. Il faut que ça se concrétise. Il y a eu des actions déjà qui sont annoncées. Euh, je, le disais tout à l'heure dans le cadre de la vulgarisation, il y a l'APCA aujourd'hui, ce dispositif qui permet d'avoir euh, tout ce qui est encadrement, d'avoir une cohérence par rapport à l'encadrement où nous, on est impliqués, les acteurs sont impliqués. Il faut rendre ça opérationnel. Il y a le FISA, le mécanisme de financement aujourd'hui, qui a été aussi adopté. Il faut le rendre aussi opérationnel. Troisième niveau, c'est que la maîtrise de l'eau doit être notre porte d'entrée avec les questions de sémences. Une fois que ça s'est fait, cette question de chaîne de valeur, il faut que chaque acteur soit considéré en tenant compte de ce qu'il peut apporter comme plus. Et l'autre élément, c'est travailler aussi les marchés. On ne peut pas vouloir augmenter la production si les mêmes produits nous arrivent à des taux très très très bas. Alors donc, c'est faire en sorte que l'État puisse accompagner les producteurs jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau, parce que sinon, euh, la durabilité n'y est pas. L'autre élément qui me paraît euh, fondamental, c'est comment l'État avec euh, les achats privés et les achats institutionnels, c'est-à-dire comment nourrir les cantines scolaires à partir de nos produits, comment nourrir les prisons à partir de nos produits, comment nourrir les casernes, les casernes avec nos produits et avec nos moyens financiers. Parce que c'est ça qui va permettre à l'argent de tourner. Une fois que ça, s'est réglé, de mon point de vue, il y a un autre signal fort L'autre signal fort, c'est qu'il faut que le président de la République, je l'ai dit dans d'autres zones, il faut que, bon, s'il veut acheter son riz, qu'on montre à la télé sa commande du mois. Il est parti au niveau de Ficopri acheter et qu'on voit aujourd'hui le président Mahmoud Issouf est venu euh, acheter son stock ou bien, en tout cas, celui qui s'occupe euh, de cette question est là pour acheter et qu'on voit nous-mêmes. Après son passage, qu'on voit le président de l'Assemblée arriver aussi à Saga acheter son riz qu'on voit le Premier ministre emboîter le pas, c'est clair que les autres autorités doivent aussi suivre les pas. Alors, mais si leur nourriture doit venir des supermarchés, du riz qui doit venir de je ne sais où, ça, ça ne va pas nous encourager. Donc, voilà des volontés politiques affichées que de mon point de vue maintenant, bientôt il va avoir la foire. Au niveau de la foire, il faut que le président lui-même il soit présent, qu'il dise oui, je suis venu parce que c'est tous les ans, je suis venu voir les producteurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui qu'est-ce qui ne marche pas. Il faut qu'on ait un espace pour notre foire. Il faut qu'il y ait des prix d'encouragement. C'est vrai que c'est en train d'être fait. Il faut qu'on modernise ça, mais il faut aussi que des producteurs soient ciblés pour qu'ils soient aussi distingués. Tout ça rentre dans le cadre de vouloir augmenter la production. Avoir aussi des rencontres avec les banques pour que les questions d'accès au financement pour le secteur agricole doivent aussi être prises en compte. Mais maintenant, les autres secteurs, comme je l'ai dit, les mêmes accompagnements qu'on fait pour les cultures végétales, on doit le faire aussi pour l'élevage, on doit faire aussi de l'irrigation pour produire du, fourrage, on doit aussi faire de la pisciculture, accompagner les pêcheurs pour qu'ils produisent, mais on doit accompagner des jeunes, rendre le secteur attractif, parce que c'est ça qui va permettre aux gens, on peut avoir des petites unités de transformation. Si on produit, on transforme, les pistes rurales, on les construit, les infrastructures, euh, mais il n'y a pas de raison que d'ici là, on puisse sortir de l'insécurité alimentaire. Euh, euh, avant de clôturer votre débat, je pense que je rappelle à, à que les gros importateurs de riz, ceux qui sont avertis, les Nigériens qui sont avertis, ne consomment que le riz nigérien. Eux, ils importent le riz pour vendre aux autres. Ils ne consomment jamais dans leur famille le riz importé nos invités se félicitent enfin des résultats obtenus à la campagne agro-silvopastorale 2018, Demande par la même occasion au gouvernement de faciliter l'accès des producteurs au conseil agricole de qualité et de la mobilisation des stocks de sécurité d'aliments pour bétail. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Ide directeur de la promotion des filières végétales et de la qualité à la direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Jibo Banya, président de la plateforme paysanne et Elhaj Al-Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales euh, du Niger. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.